Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, euh, le forum de la presse euh, du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la concentration des attaques terroristes et euh, de la tuerie des populations civiles dans la commune rurale de Banibangou, région de Tilaberi. La ruée vers l'or dans la commune de Danissa, département de Madaroufa, région de Maradi. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur la recrudescence des accidents des bus des compagnies de transport au Niger. Pour analyser et commenter tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Gary Amadou, bonsoir. Oui, bonsoir. Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. Et Memouna Diado, journaliste indépendante. Memouna Diado, bonsoir. Mokhtar, bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi par cette triste nouvelle. Au moins 37 euh, personnes ont été tuées lundi après-midi lors d'une attaque à Daredey, village situé à 40 km à l'est de Banibangou, près de la frontière euh, du Mali. Il s'agit d'une zone enclavée de la région de Tilaberi où les exactions euh, commises euh, par des groupes armés non étatiques se sont multipliées depuis le début de l'année. Memouna Diado, que peut-on dire au sujet de cette nouvelle attaque meurtrière au sein de la population civile près de Bani Bangou Mokhtar, merci bien. Donc, euh, je profite en tout cas de vos micros pour présenter nos vives condoléances en tout cas à ces familles meurtries au peuple nigérien parce que 37 victimes en tout cas, c'est beaucoup. Si je peux le rappeler aussi, c'est dans le mois, il faut, il faut regarder à peu près ce qui s'est passé. Ça ne fait pas un mois, deux mois que le Niger a également subi cette histoire au niveau donc de Banibangou, où il y a eu des cultivateurs qui ont été tués impunément. Je me dis que vraiment, ça revient à réfléchir sur cette situation de Banibangou. Pourquoi s'en prendre à des cultivateurs qu'est-ce que ces terroristes ou bien ces bandits armés, parce que moi je ne les qualifie pas de terroristes, parce que ce sont des terroristes, les terroristes ont toujours revendiqué. Mais là, ce sont des bandits armés. Vous venez en pleine journée vous attaquez, vous massacrez des innocents, des femmes, des enfants, parce que les 37 personnes, il y a eu 14 enfants, il faut le préciser. 14 enfants et 4 femmes qui font partie donc de ces 37 vies qu'on a perdues. Donc, ça veut dire tout simplement que la situation de Bani Bongo laisse à réfléchir du moment où aujourd'hui on s'en prend plus aux forces de défense et de sécurité, mais on s'en prend plutôt aux paisibles citoyens qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent que ces paysans-là euh, quittent, laissent les villages-là. Ils veulent quoi Ils veulent affamer ces populations, mais dans quel but Parce que je me pose tellement de questions, mais je n'arrive pas à avoir les réponses exactes à cette situation. C'est comme si, quand on regarde, il y a l'inexistence même de l'armée au niveau de Banibongo. Tout ce mois-là, tous ces deux derniers mois-là, quand on regarde, tout ce qui se passe, c'est au niveau de Banibongo, la commune rurale de Banibongo. Donc, ça veut dire que peut-être eux, là, ils ont un objectif bien déterminé, que nous, nous ne connaissons pas, c'est vrai, mais que nous allons pouvoir chercher à connaître et à comprendre aussi. Est-ce que l'armée, parce que c'est à côté des bases militaires aussi, il ne faut pas oublier que nous avons des bases militaires étrangères à Wallam. Mais comment se fait-il qu'en pleine journée, en pleine journée, et à une période de culture de champ, qu'on vient sur des motos, des bandits en grand nombre attaquer, assassiner et repartir tranquillement. Et je vous assure, ils font ça répétitivement parce qu'ils font ça, ils ciblent des villages, ils le font en une semaine, deux semaines d'intervalle seulement. Selon vous, euh, le gouvernement doit prendre d'autres mesures, doit, envisager, des, nouvelles mesures. des nouvelles mesures. Parce que c'est des nouvelles stratégies en fait. L'État doit mettre en place des nouvelles stratégies de lutte. Parce qu'on ne comprend plus. Ces gens-là qui viennent, avant, quand on regarde, c'était vraiment l'armée qui était visée. Les attaques sont visées au niveau donc des casernes. Aujourd'hui, c'est les populations. Mais quand même, si le terrorisme, les terroristes arrivent à changer de stratégie, mais pourquoi nous et l'État ne peut pas changer de stratégie vis-à-vis -vis de euh, de, ces terroristes. Ça, c'est des questions. Gary vous pouvez répondre à, toutes toute cette série de questions posées par euh, Mamoune Diado Oui, vraiment, euh, ce sont des questions aussi que je me suis posées. Effectivement, la, commune de Bangu est devenue une commune meurtrière. c'est le titre qu'on a fait à la une de notre journal. vraiment, on ne comprend pas. C'est-à-dire, Bangu semble être très vulnérable. Est-ce que c'est à cause de sa proximité avec le Mali Oui, mais non, mais le problème, c'est que on a l'impression que cette partie-là est devenue vulnérable depuis un, bout, de temps. Pourtant, dans la région de Tilaberi, il y a plusieurs opérations militaires d'envergure qui sont menées. Il y a al il y a d'autres opérations, n'est-ce pas Mais comment se fait-il que les terroristes arrivent à passer entre les mailles du filet, mener l'attaque et retourner Ce qui repose la question des complicités locales. En réalité, on informe les terroristes sur le mouvement des militaires. Vous savez, depuis les attaques de Dinates et de Chinagoder, eh, il y a eu au niveau de l'état-major une décision, en tout cas, tout à fait euh, euh, correcte de ne pas faire des camps fixes. Donc, les, troupes sont tout le temps en mouvement. Ce qui met à difficulté les tentatives des terroristes de vouloir attaquer comme ils l'ont fait à Inates et à Chinagoder. Voilà. Maintenant, il y a des patrouilles en permanence partout. Mais comment se fait-il que les terroristes arrivent à passer entre les gouttes, si je veux, perpétrer l'attaque Ça veut dire qu'il y a des gens qui les informent du mouvement des militaires. Il y a des gens qui leur disent que bon voilà les militaires. Est-ce que c'est pas une différence des, des services de renseignement Non, il y a, y, a, y a, un problème au niveau du renseignement, n'est-ce pas Il y, y a plusieurs problèmes. Il y a un problème au niveau du renseignement. Il y a un problème au niveau du dispositif militaire, n'est-ce pas Il y a aussi un problème au niveau de la complicité des populations locales. Parce que quand vous allez dans des villages, on vous le dit, hein, on vous dit ce sont les gens du village, on les connaît. Mm. Oui, oui. Moi, j'ai entendu tout à l'heure une histoire où un maire, euh, pratiquement, a dit, a dit que bon, lui, on vient prendre de l'argent avec lui. Et c'est des gens du village. Ils rentrent dans son bureau, ils disent, bon, chaque mois, il veut qu'il paye comme ça. Et ils disent, ils disent que les gens savent, oui, pour être, pour être tranquille. Vous voyez ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Si on a réussi à un peu euh, sécuriser les populations d'Anzuru qui sont retournées dans leur village, il faut qu'on adopte la même stratégie pour la population de Bangou. Euh, peut-on parler dans ce cas du banditisme ou bien du terrorisme ou bien du banditisme Non, il y a une chose qui est sûre, euh, Mokhtar, ce n'est plus de l'islam, ça c'est pas de l'islam ça. Non, non, non. est-ce que c'est du terrorisme ou du banditisme Non, c'est-à-dire, ces gens-là c'est des bandits. cest sous la couverture de... C'est pas de l'islam hein, ça là. Ah non, non, non, non, non. Mais tout le monde a compris. Comment vous pouvez vous venir dans un champ où des gens sont en train de chercher à manger. Vous les tuez. Vous tuez femmes, enfants. Vous savez ce qui est le plus horrible Des enfants. Des enfants innocents. Des enfants innocents qui sont en train d'aider leurs parents. Qui sont en train d'aider leurs parents à cultiver les gens. Vous venez, vous les massacrer. Mais vous dites que, vous dites que Allah, non, vous pensez que vous faites, non, vous faites, c'est pas de l'islam ça. Ces gens-là, c'est des bandits. Et il faut que ceux qui sont en train de collaborer avec ces bandits-là, il faut qu'ils sachent une, chose. Un jour, la roue va tourner. Et quand la population va se réveiller. mais, quelles sont les motivations de ces groupes armés Les motivations, apparemment, selon ce que nous avons, nous, avons compris, c'est que la saison, hiver, euh, euh, la saison d'hivernage n'est pas propice pour les groupes terroristes pour, faire, pour vraiment se mouvoir. Parce que la forêt est touffue, les chansons, c'est pas facile de Mais par contre, quand c'est clairsemé là, ils peuvent, ils peuvent apercevoir leurs cibles et commettre leur forfait. Ils veulent empêcher les gens de cultiver. Mais en fait, il y a une pression énorme sur les groupes terroristes malgré tout ce qu'on voit là, les attaques là, les groupes terroristes ont subi un lourd, en tout cas, ils, ont, subi beaucoup de pertes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ils cherchent pratiquement, apparemment, à créer une zone de peur autour de Bani Bangou et d'autres localités pour qu'ils puissent y établir des petites katibas. Parce que quand la population se déplace, ce qu'ils veulent, c'est que la population de Bani se déplace. Les villages là, ils veulent que tout le monde se déplace, en face, comme on a fait pour l'Anzuru là, les que les gens quittent. Est-ce que vous comprenez Maintenant, pour que eux ils s'installent pour qu'ils puissent. Ils, sont acculés, en fait. Ils sont acculés. Ils, sont, ils, en sont réduits à mener des attaques sporadiques, n'est-ce pas Avec des petits groupes très mobiles. Parce que je ne suis pas sûr que ceux qui ont mené l'attaque, la dernière attaque contre Bani contre le village de, là, je ne suis pas sûr qu'ils étaient nombreux. Mais même deux personnes avec, avec deux Kalachnikov contre des paysans sans armes. <laughs> Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, ces paysans sans armes Et puis les enfants qui sont là, qui certainement sont partis, quand les coups de feu ont sont partis se coller à leurs parents au papa à papa et à maman. Ils sont partis se coller à papa et à maman. ils, ont peur. des petits enfants. ont amené de quoi manger. Oui, que vous venez vous massacrer. Et vous partez. Vous allez partir dans votre katiba, vous allez partir tranquille. Et vous pensez que c'est à l'islam que vous rendez service. Mais que Dieu maudisse ces gens, Mokhtar. Que Dieu les maudisse. Nissa Sajibo, qu'est-ce qui ne marche pas euh, Comment ramener la sérénité dans cette partie du Niger Tu me poses une question colle Qu'est-ce qui ne va pas Ramener la sérénité dans cette partie du Niger c'est un peu difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. C'est difficile parce que, Gary vient de le dire, ces groupes armés non étatiques, là, c'est des gens qui sont mobiles, qui sont souvent... Parce que moi, j'ai cessé de croire même qu'ils viennent d'ailleurs. J'ai comme l'impression qu'ils sont sur le territoire. Ils ont des caches où quand ils viennent perpétrer leurs attaques, ils se replient, ils cachent les motos. Mhm ils ressortent quand ils ont envie d'attaquer. Ils viennent, ici des villages, ils sont là avec les gens. Ils connaissent les positions militaires, ils connaissent les patrouilles, ils voient les patrouilles et tout et tout. Ils sont peut-être même dans les villages. Maintenant, fort possiblement, ceux qui sont de l'autre côté les manipulent. Comment vais-je dire Les Katiba, comme vient de le dire Gary, qui sont là-bas connus, les chefs djihadistes qui sont là-bas les manipulent. Ah, eux, ça les arrange. Ça n'a rien à voir avec l'islam, véritablement, ce qui est en train de se passer. Je me suis entretenu au téléphone euh, hier, hier avec euh, le chef du canton de Lanzour pour savoir exactement dans sa zone. Est-ce qu'ils sont confrontés Il me dit oui. Même dans sa zone, ceux qui ont des champs éloignés, ces gens ils vont dans les champs. Il y a des gens qui ont des champs jusqu'à souvent 5-10 kilomètres. Mhm. Souvent, pendant cette période de campagne agricole, les gens se déplacent carrément, ils quittent le village pour aller s'implanter dans les champs, pour mhm. être fixe et pouvoir travailler jusqu'à la récolte. C'est quand ils ont fini de récolter, d'engranger, ça à ce moment ils reviennent dans les villages. Aujourd'hui, il m'a expliqué que toutes les populations, en tout cas les habitants de la zone, qui ont des champs éloignés, ne peut plus aller exploiter, y compris des gens qui sont juste à côté. Bon, c'est un nouveau ah. mode opératoire. Le nouveau mode opératoire, c'est empêcher aux gens, aux villageois, de pouvoir exploiter leurs champs. Une façon de leur dire, vous devez vous en aller. Si vous restez, nous allons vous tuer un à un. En tout cas, nous allons créer les conditions pour que vous ne puissiez pas créer quelqu'un qui a faim, qui n'a pas pu cultiver. Ils vont tomber dans l'assistanat. Ils sont déjà dans l'assistanat depuis. Maintenant, si tu cultives, parce qu'il faut voir le mode opératoire, et quand ils venaient dans les villages, souvent, ils tuent les populations dans les villages, ils vont, ils brûlent les greniers avant de s'en aller. Mhm. C'est une façon, c'est la stratégie de la terre brûlée. Ils brûlent les greniers, tu n'as plus à manger, tu es obligé d'être dans une situation d'assistanat. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, j'ai dit, il faut créer les conditions de doter l'armée. Ça, c'est le passage incontournable. N'est-ce pas Parce que j'ai dit quelque part, c'est quand même étrange qu'on dise que des gens sont venus à moto. Ils sont moto dans une zone où la circulation de, moto est interdite depuis à pareil moment. C'est les après-midi le plus souvent ils viennent perpétrer ces attaques. Qu'on dise qu'ils sont venus, ils ont attaqué ils sont euh, retournés. Alors qu'on a empêché aux populations d'utiliser la moto. Alors, qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe Comment parviennent-ils à, s'échapper Il faut se poser beaucoup de questions. La manipulation n'est pas que une manipulation possiblement des, gens, les, les, chefs djihadistes et autres là. On ne sait jamais. Vous savez, notre pays là est plein de richesses du sous-sol. Quoi. Mm. C'est-à-dire il y a beaucoup de mm. richesses, mm. il y a beaucoup de convoitises autour de ça. Il faut créer une situation où les gens ne peuvent pas être là. Quand les gens ne sont plus là, <laughs> on va créer une situation de, des zones abandonnées où d'autres personnes peuvent venir faire des recherches et tout et tout. Voilà toute la motivation. Hein. Maintenant, ce que moi je préconise, c'est qu'on doit se donner. Parce que moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas compter sur quelqu'un pour assurer euh, la, protection, de sa maison ou de, sa famille. C'est d'abord soi. C'est d'abord soi-même. On, se donne les moyens pour pouvoir protéger sa famille, sa maison et tout et tout. Mais quand tu confies euh, la sécurité de, de ta famille à quelqu'un d'autre, tu sous-traites la sécurité de ton pays à quelqu'un d'autre, dis-toi bien que tu es vulnérable je prends juste l'exemple de ce qui vient de se passer en Afghanistan. Les Américains sont restés pendant 20 ans. C'était la débandade, ils ont quitté. Depuis qu'ils ont, dès qu'ils ont quitté, en l'espace de moins de trois mois, les, talibans, ils ont pris jusqu'à Kaboul, ils ont installé tout. C'est la débandade même au niveau des Blancs. Ça veut dire que il faut que ça serve de leçon à nos dirigeants. Il faut mettre les moyens qu'il faut, les ressources qu'il faut pour créer les conditions de stabilité de ces zones-là. Moi, j'ai dis, s'il faut ratisser mètre carré par mètre carré pour trouver les caches et tout et tout. C'est Ce n'est pas des opérations ponctuelles où on fait une semaine, deux Non, ça, dit, ça doit être de manière permanente. Et c'est aussi un peu la faiblesse du G5 Sahel. Mhm. Parce que quand on dit qu'il y a cinq pays qui ont regroupé leurs forces il y a la force française qui est là, la zone des trois frontières. Mais c'est ça que ça se passe. On a assisté au Burkina hier, hier, seulement. Mais comment on peut expliquer ça Niger, on se pose des questions. Niger, Burkina, Mali. Mali. c'est les trois. C'est les trois. Ici, du côté, comment dirais du sud-est, il y a une relative stabilité. Parce que, bon, avec l'armée, comment dire, tchadienne qui intervient, l'armée nigérienne, l'armée, comme avait dit Nigéra, ça a pu contenir. Mais ici, ça, manque. On se pose la question. On parle de ces forces-là. Ils sont où le Diado, aussi des populations civiles sont froidement assassinées dans leurs champs, que risqueraient les habitants de ces localités concernées Les habitants de ces localités concernées risqueront de quitter de vider. Oui, s'ils ne peuvent pas travailler mais c'est la fin. C'est soit mourir de faim en restant là-bas ou bien tout simplement quitter la zone. C'est parce que c'est tout simplement, on veut les faire partir de force. Donc, il faut mettre la, il faut les faire peur en tuant euh, à chaque fois des villageois, des, cultivateurs pour leur montrer qu'on est là à côté. Et si vous ne partez pas, comme l'a dit Ouseni nous, nous risquerons pas de pas ne pas vous tuer. Donc ça veut dire tout simplement que si on y prend garde, c'est la famine qui, qui, la famine est déjà instaurée là-bas. La famine, parce qu'ils ne vivent que de l'agriculture. Ces paysans ne vivent que de l'agriculture. Et quand on t'empêche de manger, soit tu rentres de l'autre côté, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, soit tu, tu te fais arroler, soit tu quittes la zone pour tout simplement chercher refuge ailleurs et où est-ce que où, tu peux trouver de quoi manger. Oh, Donc on où on va t'assister, c'est ça aussi. Donc ça veut dire que ces populations ont besoin d'assistance. Ces populations ont besoin d'assistance et de sécurité surtout. comme, la, comme l'a dit Hussein, Anzourou a été sécurisé. Mais pourquoi Bani Bongo, jusque-là, ne peut pas être sécurisé Amadou, est-ce que l'État peut placer euh, des militaires derrière chaque village Non. Et, euh, mais en tout cas, on peut faire quelque chose pour les habitants, en tout cas pour la zone de Bani Banibangula et les villages qui entourent la, ville de Bani Banibangu. On peut faire quelque chose. La question qu'on doit se poser, Mokhtar, que représente Daredei pour les terroristes Ça, c'est la question à 1000 dollars. C'est-à-dire, ce là, ça représente quoi C'est quoi, c'est quoi le, truc hein. Le 15 mars, le 15 mars déjà, D'abord, les gens étaient au marché, mmh. le marché de Bani Bangou, mmh. qui est un marché internationalement connu. Les gens viennent de partout. De tout le... Les gens ont quitté le marché, ils rentraient à la maison, on les a interceptés, on est rentré dans les véhicules, on a tué des gens. On a brûlé les greniers à Daredé. Mais que représente Daredé pour les terroristes C'est ça la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui se passe Au fait, c'est quoi ce village-là qui, qui, qui... Qu'est-ce qui les intéresse Oui, qu'est-ce qui les intéresse dans ce village-là Parce qu'apparemment, il y a une fixation sur ce village-là qui doit interpeller les autorités pour que des mesures soient prises afin que la zone-là, le village-là, ah, soit sécurisé. Parce qu'il y a une fixation sur ce village-là. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui attaquent le village-là ne sont pas loin ils sont parmi la population. En fait, le le 15 mars, là, quand on a intercepté les gens, les complices étaient dans le marché. Ils étaient venus aussi. Vous savez, dans les marchés des villages frontaliers, là, tout le monde vient. Les terroristes viennent, hein, parfois avec des armes, pour acheter. Là où l'État n'existe pas, ils viennent avec des armes, acheter des produits. Donc, quand il y a un jour de marché, là, tout le monde vient. Les complices des terroristes viennent. Et donc, pourquoi on a ciblé les gens, les gens de Daredé On a intercepté les véhicules, on a tué les gens. C'est quoi le truc C'est la question que je, en tout cas, je pose et vraiment, j'espère que j'aurai les réponses dans les prochains jours. On observe une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Euh, depuis quelques semaines, le village de chenega liman euh, situé à 8 km au nord-est de la commune de Danyessa, département de Madaroufa, est devenu un véritable pôle d'attraction des populations euh, pour cause la découverte euh, d'un site euh, d'orpaillage. En effet, ce village qui était méconnu il y a peu de temps est aujourd'hui devenu une destination prisée à cause de la découverte de ce métal précieux qui est actuellement extrait sur trois sites. Ousenissa, est-ce à dire que nos sols regorgent beaucoup de richesses et c'est un bonheur pour la population de cette localité. Ah, je dis quelque part, c'est peut-être un bonheur, mais aussi un malheur. <laughs> un malheur dans quel sens Dans le sens où c'est de l'or qu'on a trouvé, non Ça va développer le briandage à côté. Le sol va être dégradé Non seulement il y aura la dégradation, les champs de culture et tout et tout vont disparaître, mais en plus, c'est qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont faire des braquages et tout et tout. C'est ça. On a vu un peu au niveau du Diado, quand il y a eu l'or, on a vu ce que ça a donné. Les Tchadiens étaient là, les, Soudanais. Les Soudanais, tout le monde était arrivé, tout le monde. C'est comme ici à comment, comment et puis comment ça s'appelle. Il faut pas, c'est bien, c'est bien. Les gens, c'est la rue dans un premier temps, mais ils vont créer une situation où ça va être invivable avec le temps. Tant que c'est pas bien organisé, et je connais un peu les sites d'orpage, malheureusement, ce n'est jamais bien organisé. C'est la pareille. C'est vraiment comment l'anarchie souvent ça veut dire aussi une chose, c'est que je viens de le dire, c'est que pratiquement le Niger là est un scandale géologique. Hein tout ce qu'on est en train de connaître. C'est le journaliste qui parle ou bien le géologue Non, je ne suis pas géologue, mais à, travers les études et tout, et tout, quand vous voyez les cartes, j'ai l'habitude de consulter des cartes on dit il y a des indices de telle matière ici, de telle matière, un peu partout dans le pays, que ce soit le charbon, le fer, l'uranum, et des métaux très précieux souvent qui rentrent dans la composition, dans la fabrication des, des, des appareils électroniques, des avions et tout et tout. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui là, il faut pas mhm. mettre de côté, penser que non. Mhm. C'est comme ça, les gens se sont décidés un beau matin, on dit il y a ils viennent, ils se mettent à tuer des populations. Non, c'est pour créer une psychose, faire quitter les gens. Mhm. On a entendu des choses quand on a sécurisé Kidal, quand l'armée française est arrivée, ils sécurisaient Kidal. Mais un temps, ils ont décidé de partir, mais ils sont finalement restés. Vous imaginez, c'est la même bande, hein, jusqu'à Tawa, jusqu'à Agadez un peu partout. Et sans compter dans la région d'Agadez, c'est un réservoir, un des plus grands réservoirs d'eau, de, en tout cas au niveau de l'Afrique. Et vous pensez que tout ça là, il faut faire la corrélation, le lien entre tout ce qu'on est en train de des choses qu'on ne connaissait pas. Tout ce qui est en train de se passer en termes d'insécurité là, c'est un lien avec les convoitises par rapport à nos richesses. C'est pas seulement, on a découvert, c'est là-bas, personne ne s'attend à ce qu'on découvre de l'or à Naïsa. Et c'est dans la zone de Toredi, quand on a découvert, il y avait un site qu'on a découvert. Mais alors, c'est le Liptako, toute la bande de Liptako, là, il y a de l'or. ça veut dire qu'il y a dans d'autres zones également, il y a de l'or. Parce qu'on parle de l'or, on dit que c'est souvent. C'est un métal bizarre, qui fait, phénoménal, qui peut apparaître comme ça, un peu partout. voilà un peu la situation. Et je me dis, quand il parle de bonheur, non, pas forcément pour les populations, parce que ça va installer un peu l'anarchie au niveau de ce village-là. Garamadou, chaque jour, ce sont des centaines de personnes euh, qui débarquent dans cette localité, qui pour euh, l'extraction de l'or, qui pour euh, l'achat, qui pour installer un petit commerce, et ce, dans tous les domaines. comment organiser ce secteur Hussein Issa venait juste de parler d'organisation. Vous savez, quand on découvre d'abord un site, quand on découvre de l'or dans un endroit, dans un premier temps, une grosse pagaille. Vous savez, c'est vraiment de l'informel qui, qui s'installe. Mais je sais que l'État arrivera à un moment où il va fermer, comme il a fermé le Diado quand il a vu que bon, ça devenait un truc euh, vraiment de la ruée. Tous les pays, de tous les pays, les gens venaient. L'État prend des mesures et puis il ferme. C'est sûr qu'ils vont fermer cela. Mais avant cela, peut-être les gens vont, s'enrichir. Mais en réalité, le, vrai problème, c'est ce que Hussein a soulevé. En réalité, il n'y a pas de quoi jubiler quand vous entendez qu'on a découvert, de, en, tout cas, une, tout une matière première très importante sur, le sol, vous avez tendance à être content. Mais pourtant, moi, je peux considérer que ça peut être une source de malheur. Vous savez, euh, le monde actuel, là, Mokhtar, il est cruel. Les grandes puissances, là, ils sont dans la projection dans 100 ans. Et quand ils se projettent dans 100 ans, c'est en matière de ce qu'ils vont avoir comme euh, matière première pour leurs industries, ce qu'ils vont avoir comme euh, euh, matière pour l'énergie, etc., etc. Ils sont de la projection. Alors, ils ont les cartes, la carte du globe terrestre, là, là où il y a les ressources, ils savent. Et donc, quand un pays pauvre dispose d'immenses ressources de, tout genre ici sur son sol, ça devient un objet de convoitise. Il ne faut pas qu'on le perde de vue. Mm-hmm. Là, les, Occidentaux ont les yeux rivés. Je vous dis que les gens se projettent sur 100 ans, 200 ans. Comment faire vivre leurs industries Comment faire Puisque chez eux, il n'y en a pas. Donc, les matières premières se trouvent en Afrique. Et quand ça se trouve en Afrique. Non, selon vous, c'est une source d'inquiétude. Ah non, c'est une source d'inquiétude, bien sûr. Mais écoutez, le Niger, là, comme l'a dit c'est un scandale. Apparemment, il y a de l'or partout. Il y a de l'or partout. Moi, je me rappelle, il y a deux ans de cela, on venait du Choron. Dans la brousse, on voyait un peu des trucs qui brillaient, là. Et puis on s'est arrêté, on voit des trucs qui ressemblent un peu à de, la bientine. On dit, mais c'est quoi Quelqu'un m'a dit, si vous voyez des trucs comme ça, là, ça veut dire que la zone, il y a de l'or apparemment tout le sol nigérien regorge de ressources. Sans oublier cette ressource la plus importante parce qu'on dit que la prochaine guerre, les prochaines guerres vont être faites pour de l'eau. Et les nappes, les nappes d'eau ah, que le Niger a là, eh, c'est pas possible. Et donc, on peut comprendre que finalement tout ce qui se passe peut-être n'est pas étranger à cela. Parce qu'on comprend bien que des gens qui prennent des armes pour tuer leurs propres frères, n'est-ce pas, pour tuer des femmes et des enfants, ce n'est pas pour la religion, alors qu'est-ce qui se passe moi, je m'interroge. Je, m'interroge parce que je ne crois plus que les gens sont en train de se battre pour une religion. Non, non, non je ne crois pas. Il y a d'autres dessins. Mais donc, cette désorganisation-là, du début, là, l'État ne pourra rien faire puisqu'on vient de découvrir la chose. Le gouverneur de, la région de Maradi était quand même euh, sur le site. Oui, il est parti pour voir. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est voir. Maintenant, il rencontre après. Ils rendent aux autorités et puis oh, ils vont voir les mesures qu'ils vont. Mais dans un premier temps, ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que les vendeuses vont venir, il y aura un petit commerce, il y a une, économie qui va s'installer sur le site orifère, peut-être même un petit village un petit microcosme qui, qui, Ah, c'est un village. Ah oui, oui. Il y a déjà un village là-bas. Et les gens vont s'enrichir parce que je te dis que là où on extrait de l'or, mais ben, si d'habitude le plat que tu manges c'est 5 francs que tu le manges, ah, tu vas pas payer 500 francs. La vendeuse, elle va vous vendre ça à 2000 francs, c'est clair et net. Parce qu'elle suppose qu'il y a de l'argent ici. Donc, il y, a une économie qui va se développer, les gens vont devenir riches, avant bien sûr que l'État ne prenne des mesures, parce que je sais que tôt ou tard, l'État finira par fermer le site de Daïsa. Mme Gado, le département du Madarouf fait face à un banditisme, situation qui était à l'origine de la visite du travail du président de la République, euh, chef de l'État, euh, Bazoum Mohamed, dans ce département. Comment euh, sécuriser les sites d'orpaillage Comment se sécuriser soi-même d'abord c'est ça la question, il faut se poser. Avant de sécuriser ces sites d'orpailleurs, la population déjà, c'est une population qui est fragile. C'est une population qui est en proie à l'insécurité. Donc voilà qu'il y a... Le euh, euh, kidnapping, des, bandits, Le vol de bétail. Le vol de bétail et tout. Et voilà que vient s'ajouter ce site euh, d'orpailleurs. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que <laughs> l'État sera encore plus obligé de sécuriser davantage cette population non pas du point de vue, parce que là, on va, on va, on va voir qu'en en fait, il y aura peut-être une diminution de ces vols de bétail au profit, par exemple, du kidnapping de ces orpailleurs qui se trouvent sur le site. Parce que je suis sûr, celui qui vient, qui, qui oh, ils ont l'information de toutes les manières. Celui qui gagne plus, celui qui a plus euh, la, journée, qui arrive à avoir beaucoup euh, de cailloux d'or, mais eh cette, cette personne-là est bien ciblée pour être enlevée. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une présence, parce que le président de la République l'a si bien dit, il faut sécuriser ces populations. Et je suis sûr qu'avec avec euh, ce site, ils vont encore renforcer la sécurité au niveau donc, de Madarumfa. Parce que, comme on dit, il ne faut pas laisser, il faut avoir les, les, yeux grands ouverts pour pouvoir faire la part des choses entre le kidnapping, le vol des bétails et qui vient s'ajouter également l'or. Donc c'est très important, c'est la sécurité et il faut que la population aussi se sécurise elle-même. Parce que des fois, c'est en racontant à une autre personne ce que toi tu gagnes par jour ou ce que toi tu fais par jour, euh, tes activités, c'est ça aussi. Ça, ça aussi, c'est de l'information qui est à risque. Parce que tu te, <laughs> tu te donnes toi-même à ces bandits. Voilà. Donc c'est ça aussi. Et il faut toujours collaborer. On attend la collaboration de la population parce que on a comme l'impression que la population aussi, il y, a des, personnes, il y a une population qui ne veut même pas collaborer, en tout cas avec les forces de défense et de sécurité. vous avez quelque chose à ajouter rapidement Moi, ce que je vais dire, c'est peut-être un peu apporter la contradiction à ce qui vient de dire Le problème, c'est pas la collaboration des populations le problème, c'est la sécurisation de ceux qui collaborent. Mhm. Mhm. Parce que mhm. vous allez, vous, décider de dire, voilà, il y en a qui ont collaboré, qu'on a tué. Parce que ces gens qui viennent dans la zone de Madaranfa, c'est des gens qui quittent le Nigeria. Ils viennent, ils prennent les bétails. Moi, j'ai dit, ce qui allait le faire surtout, c'est surtout euh, créer les conditions pour que l'armée nigériane, parce que quelque part, il y a une complicité de l'autre côté. On a comme l'impression que quand les gens viennent prendre le bétail, ils rentrent tranquillement là-bas, ils tuent les populations de ce côté avant que les militaires n'arrivent. Ils ont déjà franchi la frontière. La dernière fois, j'ai vu un poste où on dit qu'une patrouille de l'armée qui a eu la possibilité de poursuivre. Ils ont, 30 km de poursuite. Eh alors, on a tué. En euh, là, ils sont tombés dans une embuscade. Alors, ça pose un sérieux problème. C'est malheureusement la collaboration qui ne fonctionne pas bien. S'il y avait une bonne collaboration entre les armées, honnêtement, moi, je pense que ces gens, parce que tu viens attaquer, tu viens entrer au Burkina, on enlève déjà une ah. position militaire de l'autre côté. Les bandits ou les terroristes mm. vont être pris en deux feux. Mm-hmm. En deux feux. Ils n'ont aucun chance de ça. Mais malheureusement. On observe une courte pause. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir est relatif à la recrudescence des accidents des bus des compagnies de transport au Niger. Ces dernières semaines, le Niger a enregistré plusieurs accidents de la route, notamment des bus de transport en commun ayant occasionné plusieurs morts et blessés, une situation qui inquiète les Nigériens. Mme Diado, euh, comment expliquer la recrudescence des accidents des bus des compagnies de transport, euh, surtout en cette euh, saison des pluies mm, Bon, c'est à deux niveaux. À deux niveaux, c'est à, deux niveaux. Il y a l'État, il y a l'État. par rapport à l'impraticabilité donc. Ah des routes. La dégradation des routes. La dégradation des routes, parce que j'ai suivi les promoteurs de ces compagnies qui ont accusé d'une part l'État par rapport à ça, par rapport à la dégradation des routes. Il y a également, d'un autre côté, l'accès de vitesse, je suis sûr. Donc, ça veut dire que c'est, <laughs> c'est, partagé entre euh, les compagnies de transport et l'État. L'État doit mettre les moyens, en tout cas, pour euh, euh, réfectionner donc, euh, ces, routes dégradées pour permettre donc euh, à ces compagnies de transport, à ces Nigériens d'aller et de revenir en toute tranquillité. Il y a également les compagnies de transport aussi, également qui doivent attirer l'attention de leurs chauffeurs par rapport à l'accès de vitesse. L'accès de vitesse, c'est très important. Et ceux qui il y a aussi l'expérience des L'expérience des chauffeurs. Il y a l'expérience des chauffeurs par exemple, quand tu mets un chauffeur qui n'a pas de famille, moi je dis qu'il n'a pas de famille, qu'il n'a ni épouse, ni enfant, tu le mets, tu le responsabilises pas. C'est pas irresponsable à, mes yeux. Parce que lui, il n'a rien à perdre. Pour lui, il n'a rien à perdre. Alors que ceux qu'il transporte, c'est vraiment des familles. Et ce qui m'écœure également, c'est quand ces compagnies de transport font leur accident, on ne voit personne, on n'entend personne, personne ne parle de ça. C'est seulement sur les réseaux sociaux que nous voyons ça. Donc, la presse, la ne, la, presse la presse ne parle pas de ça. tu as une fois vu ça, on a montré une fois à la télé, on a montré ça une fois dans les télés privées ou bien même dans les télés publiques. Non, ça ne passe pas toi aussi. Donc, là aussi, il faut se poser la question le travail que nous, nous, sommes, nous devrons faire. Non, c'est pas tourner autour du pot. Mais je, je, arriver, à ça. C'est parce que tout simplement, ces promoteurs sont comme les rois. Quand je ah, dis c'est comme les rois, ce sont des patrons ici au Niger, parce qu'ils financent beaucoup la communication. Donc quand tu finances beaucoup la communication, même si ton bus fait un accident, personne ne va parler de ça. Donc ça aussi, ça aussi, il faut soulever cette question-là. Parce que j'ai vu le ministre qui a un peu circulé dans les compagnies de transport, le ministre du Transport, pour aller attirer l'attention des uns et des autres par rapport aux accidents. Mais quelles sont les décisions Quelles sont les sanctions prise à l'encontre donc de ces compagnies de transport. Si je ne peux pas citer les, compagnies, mais quand on regarde en un mois une seule compagnie qui fait trois accidents, s'il vous plaît. C'est énorme, c'est beaucoup. Voilà. Amadou, le secteur des transports est fondamental euh, dans la vie et des sociétés. Et comment se déplacer euh, dans de très bonnes conditions et en toute sécurité au Niger Mais c'est très simple. Moi, d'abord, l'excuse des compagnies de transport sur l'état des routes, mais ça ne tient pas du tout la route. Excusez-moi de l'expression, mais c'est du n'importe quoi, c'est pas vrai. Pourquoi je le dis Mais ce sont les mêmes routes que tout le monde, les usagers empruntent. Comment se fait-il que ce sont seulement les compagnies de transport qui font des accidents Qu'est-ce qui se passe En réalité, il ne faut pas fuir la responsabilité. Les compagnies de, transport font preuve d'une certaine irresponsabilité envers leurs chauffeurs. Il à n'y a pas de sanction au niveau des compagnies de transport. On le voit bien. Moi, j'ai fait la distance Maradi jusqu'à jusqu'à Niamey. Je n'ai pas vu un accident d'un usager, mais j'ai vu deux accidents de bus. Vous comprenez Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ces compagnies-là. En plus, pire, tu vois le ministre faire des visites et puis faire, il, il s'est fendu d'un communiqué. Mais non Mais ce n'est pas le communiqué qui règle ce problème-là. Moi, j'avais suggéré, il faut plomber les compteurs des véhicules. Parce que sur les routes, là, si les routes sont dégradées et que les gens filent à 100 à l'heure, mais imaginez si les routes sont en bon état. Ce sont les mêmes chauffeurs. Hein qui maintenant sur les routes dégradées, là, ils filent comme si c'était des routes normales. Ils rentrent dans les nids de poules comme ils veulent. Mais imaginez si les routes sont normales. Ça va être pire. Donc, selon vous, c'est pas la, non, non, non, non, non, de la route. Non, non, non, non, ça c'est une fausse excuse. Ça c'est pas, ça c'est une sorte de la politique de l'autruche. On met la tête dans le trou pour ne pas voir la réalité. Non, ils savent très bien que c'est la faute de l'autre chauffeur. Eux, ils ne sanctionnent pas leur chauffeur. L'État même ne sanctionne pas les compagnies. Et nous, les médias, on se rend complice parce que, effectivement, c'est ce qu'elle a dit. Mais c'est trop dégueulasse les, compagnies ont de l'argent pour payer la publicité pour un an au niveau des télévisions. Ils payent de la publicité au niveau des télévision. C'est pourquoi vous ne verrez pas ça. Ah non, vous n'allez pas voir ça. Il faut, Je remercie le bon Dieu que les réseaux sociaux existent. Ça nous permet de voir. Mais c'est ça le, grand problème. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous-mêmes, on est, on fautifs. Parce qu'à cause de l'argent, on n'est pas en train de dénoncer. Les innocents sont en train de mourir. Des irresponsables sont en train de conduire des bus. N'est-ce pas Ils causent des accidents mortels, parfois complètement bizarres. Et puis, maintenant, non, non, non, la télé fait comme s'il ne s'est rien passé. On vient, en fait à ah, télé de restitution. De... Non, c'est pas ça. le, souci aujourd'hui. Selon vous, oh, la presse ne joue pas son rôle non, dans ce la presse a démissionné face aux compagnies de transport. Les compagnies de transport, comme il l'a dit, elles ont des dirigeants qui sont puissants, qui ont de l'argent, qui injectent, qui injectent. Et apparemment, l'État est impuissant. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de sanctions. L'État est, est, impuissant. L'État est impuissant. Et si l'État est impuissant, ça veut dire que c'est très grave. Il y avait déjà eu, il y a quelques années, une tentative de sanction contre une compagnie, on a vu comment ça a fini. Ça n'a même pas fait une semaine. Hop, on a, on a la... compagnie mais, qui a mais bien sûr. Hussein laissez-le s'exprimer d'abord. Bien sûr, on n'a même pas fait une semaine. C'est des gens qui sont très puissants, euh, Mokhtar. Ils sont très puissants. Et donc, maintenant... Selon vous, c'est des gens qui sont même plus puissants que l'État. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que si l'État semble impuissant, impuissant face aux compagnies de transport, n'est-ce pas Si les compagnies de transport font preuve d'irresponsabilité envers leurs chauffeurs, eh bien, il ne restera plus qu'à la société civile ou les associations de consommateurs de se ressaisir. Eh de sanctionner. Si, la, presse, ne peut pas dénoncer, ça veut dire que la société civile, elle aussi, ne pas dénoncer. non, la société civile va faire son travail son travail de mobilisation, de sensibilisation, ils ne sont pas obligés de passer par les médias parce qu'ils savent que ça ne passera pas. Mm-hmm. Si aujourd'hui vous dites que vous allez organiser une réunion, mm-hmm. ah vous ah. invitez Télé X, Télé Y, Télé XZ, et puis venez couvrir, on va faire un truc, une déclaration contre les compagnies de transport. On oh, n'a pas de journalistes disponibles. Bien sûr, parce que. Euh, attendez, euh, vous avez, la parole. Euh, Hussein Issa au Niger, près de 1000 décès ont été enregistrés sur les routes en 2019 selon l'agence ECOFIN. Comment rectifier le tir selon vous Comment rectifier le tir D'abord, je veux dire une chose. pour, compléter, ce qu'a dit Gary. allez-y. On a pris une décision pour suspendre les activités de la compagnie. La compagnie est sortie pour dire que c'est faux. C'est un, un, arrêté. C'est un, ministre. Un ministre qui a fait un arrêté pour dire la compagnie a fait une communication et ça a été publié sur les médias publics. la compagnie est en train de continuer à exercer ses activités. On n'a plus rien entendu, la compagnie n'a jamais arrêté. Maintenant, comment faire pour arrêter Il y a les deux facteurs, n'est-ce pas Il y a l'imprudence, il y a l'excès de vitesse, il y a l'état des routes. Quand les gens, parce qu'on n'a pas besoin d'être, quand on est sur une voie qui est complètement dégradée, on n'a pas besoin qu'on vous dise il faut réduire la vitesse. À ce moment, quel que soit le temps que vous allez prendre pour arriver à destination, vous, allez arriver à destination en très bon, en bonne santé. Mais si vous constatez que la route est complètement cabossée, vous vous mettez à faire la vitesse. Vous pouvez avoir un éclatement de roue, ça va être un tonneau c'est la question de discipline à ce niveau. Les compagnies, on sait comment ça fonctionne. Une année, on a dit de plomber les moteurs, Ça dit dire qu'on ne doit pas dépasser les compteurs. Mais ça n'a pas tenu longtemps. Ça n'a pas tenu longtemps. Mais il y a eu quand même des mesures qui ont été prises. Mais, mais les mesures-là, on doit pouvoir suivre. la preuve, même quand on dit, bon, les gens ne sortent pas avant 6 heures. 6 heures, ça dit, même quand vous sortez de, de l'autogare, vous êtes obligé de vous arrêter. C'est une décision qui a été prise par oui, l'État. mais malheureusement, est-ce que c'est respecté à 100% aujourd'hui C'est pas respecté. Non, c'est pas respecté. Ça dépend de la force de la compagnie. Il y en a qui ne fuient même pas. Ils vont avec machin euh, machin. Moi, j'ai l'habitude de prendre une compagnie jusqu'à Zender. Il n'y avait pas plus de 10 passagers dedans. On n'était pas plus de 10. un, bus qui prend 11 personnes. On était tout au plus 9 ou 10 climatisé. Hein. Tenez-vous bien. Ça veut dire qu'il y a des choses, les gens sont au courant. Le pouvoir ne peut pas sanctionner parce que ces gens-là, ils financent, ils financent tout le monde. Alors, même quand la compagnie gaffe, Bon, c'est. Mais. mais voilà. Oui, oui, allez-y, Garé. Vous savez, j'aimerais qu'on parle un peu euh, euh, sur la question entre les relations entre les compagnies de transport et les médias.

Tu as signé que même s'il y a 1000 morts sur la route, toi, tu n'en parles pas. C'est clair. Hein. Sinon, les conditions pour qu'on la publicité, ils sont malins. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de démissionner par rapport à notre rôle, nous, en tant qu'acteurs de médias. Et ce sont les activistes des réseaux sociaux qui sont en train de faire le travail qu'on est censé faire. C'est complètement triste. C'est Mais j'ai dit, merci le bon Dieu que Facebook existe. Merci que WhatsApp existe. Ça nous permet en temps réel, dès qu'il y a l'événement, qu'on puisse avoir l'information. Maintenant, si les télés n'en parlent pas, ça fait leur problème. Mais les médias sociaux vont faire leur, le leur. est-ce que ça aura des conséquences sur l'audience des télévisions, ce genre de pratique Non, mais écoutez, quand vous allez dans une télévision où il vient de se passer un événement grave, un accident de la route, qui est connu de toute la population, et que vous ouvrez le journal, on vous montre, oui, oui, euh, euh, comme ça, la, pluie est tombée dans tel endroit. Où, ce le, Non, c'est pas ça. Où on vous montre à télé de, validation de. Non. Vous, vous, attendez à voir la première fois. Normalement, le réflexe, quand un accident s'est passé à la sortie de Niamey, comme ça s'est passé il y a quelques jours, le réflexe pour les médias, c'est d'envoyer. Vous avez vu une télé qui a, envoyé quelqu'un Personne <coughs> mais vous, avez quelque chose à ajouter rapidement. Oui, oui en fait, c'est pour dire que toi, le journaliste, qui se hasarde à faire un article sur ça. Oh mais c'est toi qui seras licencié. Ça, c'est clair euh, mais oui, parce que le patron ne va pas perdre quand même ses millions. <laughs> mais, c'est ça. Parce que moi, j'ai fait l'expérience, en fait. Mhm. J'étais euh, vers, euh, pas Soreille, mais la route Rodi. Mhm. Il y avait un bus, mhm. compagnie là, qui a fait un accident où il y a eu des morts brûlés, ah calcinés. Ah moi, j'étais parti là-bas. Hein. J'ai pris tout. Je suis venu, j'ai diffusé une seule fois. Ça n'a passé qu'une seule fois. Mais quand même, ça a permis au patron d'avoir le contrat. Parce qu'il n'y avait pas le contrat. Donc, <laughs> donc, ça a permis de signer le contrat. Voilà, nous sommes au terme de. Que ça ne peut pas, cette situation ne peut pas Voilà, nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangu, Merci à nos invités Gary Amadou du quotidien La Nation, Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant, et Maimouna Diado, journaliste indépendante. Euh, merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, Téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 47 radios et 6 télévisions en partenaire pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum à Hausa sur le thème La mendicité à Zender et dimanche le forum Anzarma sur le thème l'importance de la plantation et de l'entretien des arbres au Niger. Merci à la technique côté son assuré par Amina Hassan et côté vidéo Mustafa Ayouba. Merci, au revoir.